fu mu war a parce que nag ku am jaar-jaar la koo la 2014 ba 2000 euh, ba ñii nii bu mu ministre des finances le Sénégal a eu des taux de croissance mm-hmm. de 6 na parce que am na lu mu daj ci gouvernement bi mm-hmm. kenn du ko dégg mu wax gis ngeen ko ba il a une posture républicaine kon kooku bu dee am ay activistes j'ai vu hier un de nos camarades Adama Fall mm-hmm. mais xam nga c'est pas des personnes crédibles ah oui oui c'est pas des personnes crédibles Adama Fall, quand il se permet de venir à la télé, d'attaquer ce candidat, moi quand même, ce gum man c'est pas une personne ak bima ko dama déception je pense que le linge sale se lave en famille on n'a pas besoin d'aller sur les plateaux pour dénigrer une personne bo il n'a absolument rien fait le péché Amadou Ba le seul péché qu'on peut lui reprocher président Macky Sall Amadou Ba la candidat. base ah. donc taxaw ci même ligne même ligne politique d'après Amadou Ba élection jusqu'au bout. nous au premier tour. Alors, vous avez abordé tout à l'heure une question importante, Oui, euh, report, un second report, dinañ ci certainement de parti euh, Adam Fall euh, donc Gani, euh, c'est pas une personne crédible est-ce que Lolo do ternir yéen Sen, image